Aujourd'hui dans votre émission Tous à la Fada, nous allons parler du patriotisme et de l'engagement civique et comment développer ces sentiments auprès des jeunes. Le patriotisme, c'est ce sentiment d'appartenance et d'attachement à son pays, avec pour but le maintien de la cohésion sociale et le respect des obligations civiques dans la société. Hmm, Niger, Bazoum Mohamed, a fait appel à ce sentiment dans son discours d'investiture prononcé le 2 avril 2021. Au Niger, il n'est pas rare de voir des jeunes s'organiser pour défendre et exprimer ce sentiment à travers des activités d'entraide et de développement. On parle de plus de 2, 2500 associations et organisations des jeunes qui œuvrent pour le développement au Niger en 2017 selon des données partagées par le studio Kalangu. Kaiba, Shikadeba, Idan Ranar 69 'yan yankin Bani Bangu su ne suka fadi a wajen yaƙi domin kare yankinsu daga 'yan ta'adda. enact acte que beaucoup da patriotism. Shi yasa muka gayyato matasa don mu tattauna tare da su bisa kan muhimmin jigon namu na yau wato kishin ƙasa. Mine ne wannan kalamar ta kunsa? Ta wacce irin hanya ce mutum yake iya nuna kishin ƙasarsa? Wani irin ci gaba ne kasa ke samu idan al'ummarsa tana idan al'ummarta tana kishinta? Ga duka wa'annan tambayoyin ga duka wa'annan tambayoyin ku bi mu sau da ƙafa za mu et comme vous le savez tout ça la fin de ces 35 minutes d'échange de musique de chronique et de rubrique top c'est parti matasan da muke tare da su a nan wanda muka gaito cibiyar studio kalangu a unguwar kwara kano su ne almu wahid barau il est étudiant en géographie ça va almu ça va très kana lahiya lahiya alo alhamdulillah ya karatu to karatu mun gode wa Allah irin to sanin karatu zamu kan shirin to salabada muna tare da saidu Gajere Mahamadou il est étudiant en philosophie mais il est également membre d'une association de l'association COSVA la coordination des structures de vacances des étudiants ressortissants d'Agadez ça va Gajere tu vas bien ça va alhamdulillah Yanné Dadama hein? Dieu merci Toi, sois le bienvenu également également, nous avons avec nous Farida Moukela. Elle est jeune journaliste. Ça va, Farida Tu vas bien Super. Sois la bienvenue également. Zangé direct Lorsque, par exemple, je vous dis patriotisme, à quoi cela euh, devrait me renvoyer Qu'est-ce que ça implique Quand on dit patriotisme To, patriotisme ‘yan mm. ni zan iya cewa kaman in za mu iya gane shi duka tare da ni kaman ɗanɗano, misali gu en français, mhm. kaman ɗanɗano ne da duk wani ɗan ƙasa ya kamata ya samu a jikin shi ɗanɗanon nan mai ba shi dama na ya gwada cewa lallai shi ɗan ƙasa ne Tanaïwa, c'est profond, mais quand même, euh, c'est un peu comme ça, je le vois. C'est un goût, c'est un sentiment qui doit être. Euh, qu'on doit ressentir. Qu'on doit ressentir. Ok. Tout citoyen d'appartenir. Ouais. Que vraiment coûte Oui, oui, bien sûr. Ok. Farida, quand on dit patriotisme, ça te renvoie à quoi euh, Moi, ça me renvoie à, à ce que les gens disent. Un tel et une telle, ou un tel et un tel sont du même pays, qu'ils s'entraident et que si l'autre a un problème, l'autre peut l'aider. Du moment qu'il vient du même pays. Ok, donc toi, ça te renvoie au groupe. Au groupe. Comment atimu un kasa godane? Oui, oui, oui. Ya tu un na kama majuna. Mhm, mhm. Ke wana ne Ok, d'accord. Alors, comment un kasanchi? ya kake jin abin an kasance patriotism idan aka ce an kasance abu ne wanda ya danganta kama mutum kai kishin ƙasa ka kishin ƙasa eh haka ne kai kishin ƙasa ne ka hi gani kamar ka so ƙasa kuma kai kishin eh ka so ƙasa kai kishin ta ok ben merci alors on passe à la deuxième question là c'est un peu plus clair on voit la perception de quoi on est à parce qu'un le patriotisme le nationalisme ou encore le civisme y a-t-il une différence entre ces trois thèmes le philosophe je reviens vers toi Géré. Eh. Patriotisme, nationalisme, ou encore civisme. Ouais. Euh, ouais, vous savez. Je... Wani bambanci tsakanin. Mm. Akwai wani bambanci tsakanin su? Akwai bambanci sosai tsakanin su, amma bon na riga na ce sosai zan rike shi a sosai kin. Akwai bambanci tsakanin su ganin cewa nationalism kaman wani share ne ma'ana wani bangare ne na patriotism okay. Eh, da civism shi ma sai na gani wani bangare ne na game amma shi civism bai da nisa kwarai da patriotism paske kalkan que patriote doit nécessairement avoir euh, la formation civique ça saboda in que da formation civique bai yiwa a ce ce patriote ko kuma bai ma yiwa kai da kanka ka ganin cewa ce patriote ba za ka ji ɗanɗano wannan da na ba kwa hmm. patriotism mais nationalism kana iya e kasance mais peut-être ba ka da nationalism okay. savez c'est confus peut-être je suis za su ɗan wani wanga cikin fira mai amma ba ɗaya ba ne ba term hmm. saboda magana ce kalma ce ba magana guda ba ce ba magana ce daban-daban shi kamar nationalism Nationalisme, yana nufi da mi nationalism shi a reality kaman a ce kishin kasa kwa okay. kishin kasa kaman yanda ya faɗi kishin kasa oh, la <laughs> c'est plus clair mm. est-ce que akwai wani bangare ko wani dans un domaine da ya kamata a ce euh, ake ake kiran vraiment on sollicite wanga patriotisme kin euh, farida zan zo janki il y a un domaine dans lequel on fait vraiment appel à ce patriotisme. La politique et l'éducation. Ouais. Plus, euh, je sais pas, la santé. Ok. Genre, dans, dans, tout ce que tu fais, tu dois pouvoir bien faire les choses pour ton mhm, pays, c'est ça mhm. Ok, c'est ça selon toi même, Oui, mhm. c'est ça, l'éducation même, ça doit, c je pense que c'est même ça la première base. yanzu kamar cikin abubuwan da shafi tahiyar da kasa ko cigaban kasa ko cigaban al'umma cikin wani fanni ne kai mata ka gani a ce in kasanci ka ai wasa da shi an yeme ni a gani na Mm. kamar gwamnati ce zai kamata a ce duk wasu abubuwa ta yi mayan kasa su mm. kamar mm-hmm. yadda al'ummar ta suke tare da ita suna kishi mm-hmm, mm-hmm. ya kamata a ce gwamnati ta yi yadda ya kamata manta abin da ke aka yi musu ok to gajere zan dawo janka a ganinka ka cikin wannan fannin da na zana cikin na tayar da kasa a ina ne ya kamata a ce in kasanci do a tarfar To, inda a cikin leda ake saida shi da sai in ce ekonomi. Ekonomi ko? Eh, amma da yake ba cikin leda ba sai da shi ba kuma ake yi. Eh. To da yake abu ne wanda ke da dangantaka man da kwakwalwan dan adam da tarbiyya da sauransu kenan sai in ce sai in ta cikin aspe moral cikin kan mutum kwa. kenan sai in education ne education ma'ana yanzu ina muke hausa sai ke tun ina yaro aka muni ita aka koya mini ita nake yanzu a same ni a bani kashin tsaya a ce in yi shinuwanci ban iya shi saboda mi saboda ba a koya mini shi ba tun yarinta har na girma duka ba a tarbe ni ta ko ina en fait ba ai créer condition ba par quelque soit le moyen pour que a ce an samu ni patriotisme mon dans ce cas kenan sai in ce ke pour ne pas trop parler c'est au niveau de l'éducation sauf si on a besoin de détails et là ake Oui. Oh. Pour dire tout simplement que c'est au niveau de l'éducation ga tarbiya ake samun an tuta samu an sa musu vraiment son kasarsu mm, kan yin magana kwarai abu biyu da aka fidda a école ma'ana yanzu in kuka dibi kishin yaro a ecole an hana shi ko mhm. in kuka dibi wani da instruction civic et moral munan ne muka san da akwai ta constitution akwai na code penal akwai code machin tout kenan nan ne duka ake abubuwa da yawa nan muka san plus donc là ça revient à dire que c'est l'état aussi qui doit s'investir pleinement afin que cette éducation là soit pleine tout en réformant en fait le, le système éducatif système wanda ake koya ma yara école eh, ta koya maka turanci ko ba ko koya ma aikin komi ba kwa kenan il faut que wani service et c'est qui suit donc euh, merci ok ben merci bien kun je da yau hira da muke nan ga tare da wa'annan da sunan muka gayyato kamar ci gaba da wannan hirar tamu tare da su za mu zo mu leƙa bangaren Ruby Cross Kin Studio Kalangu et on se reprend juste après tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Amis jeunes, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans cette rubrique rose de la fada du studio Kalangu. Ce samedi, dans l'espace santé et bien-être, on parle du déodorant et de ses dangers pour la peau. Et dans l'espace beauté, on découvre des démêlants naturels pour cheveux nappis. Et enfin, avec moi Bibi, des astuces pour l'éclat de nos fringues blancs. Bonsoir les filles, nous allons parler des produits cosmétiques qui peuvent être nocifs pour la santé entre autres les déodorants. Depuis un certain temps déjà, on peut lire et un peu partout que le déodorant représenterait un véritable danger pour la santé. En effet, deux de ses composants, les parabènes et les d'aluminium, s'avèrent ne pas être totalement inoffensifs rendant le danger du déodorant bien réel. Soupçonné de favoriser le cancer du sein, Déodorants et antitranspirants ont fait objet de multiples études. La dernière en date, une étude suisse publiée dans l'International Journal of Molecular Science, confirme le potentiel cancérigène des sels d'aluminium contenus dans certains cosmétiques. Pour en arriver à cette conclusion, un groupe de chercheurs du Centre d'oncologie et d'hématologie de la clinique des gangrettes de l'Université d'Oxford a analysé in vitro des cellules de hamster après avoir étudié le mécanisme d'action de l'aluminium dans la transformation cellulaire, les chercheurs ont conclu que non seulement le métal pénètre dans les cellules, mais qu'il provoque aussi une instabilité du génome et favorise l'apparition de cancers, notamment les cancers du sein. C'est intéressant. j'espère que tu vas nous proposer des alternatives. Ça, on verra ça demain. Coucou les filles, place à l'astuce beauté à présent. Si vous êtes nappy ou si vous avez des cheveux épais, difficiles à coiffer, aujourd'hui la rubrique rose a pensé à vous. Ce que je vais vous présenter ce soir, mes chéris, c'est un soin qui va sûrement adoucir vos cheveux. C'est un démêlant naturel à base de maïzena, l'amidon de maïs. Dans une casserole, on ajoute 5 cuillères à soupe de maïzena et 5 bols d'eau. On mélange bien le tout en prenant le soin de casser les grumeaux. Ensuite, on pose la casserole au feu tout en remuant pour ne pas cramer le fond de la marmite donc jusqu'à l'obtention d'une pâte qui n'est ni trop épaisse ni trop liquide. Et cela peut vous prendre 20 à 25 minutes. Après, vous retirez la casserole du feu et vous la laissez refroidir. On filtre le mélange et on l'applique directement sur les cheveux. On laisse reposer pendant 5 à 2 minutes tout en massant vos cheveux. Et pour finir, il faut rincer abondamment à l'eau vous allez adorer le résultat. En bonus, vous pouvez faire des nattes qu'on appelle silice C'est aussi très pratique pour lisser et démêler les cheveux épais. Et ce sera tout pour l'espace beauté d'aujourd'hui. Merci Fanta. Passons à présent à l'espace entretien et décoration d'intérieur Amis jeunes, avec cette poussière dans l'air et surtout avec les années, le linge blanc a tendance à déteindre, voire jaunir. Vous ne voulez pas vous ruiner à coup de produits soi-disant blanchissants, ni jeter votre t-shirt ni jeter votre t-shirt bien aimé, c'est bien normal. Et avec les astuces que nous vous proposons, votre linge retrouvera bientôt tout son éclat. Astuce numéro 1, le traditionnel savon de Marseille. Si c'est un aller de poids dans le ménage écologique, le savon de Marseille fait aussi des miracles pour blanchir le linge grâce à ses propriétés. Vous pouvez donc utiliser une lessive qui en contient ou en ajouter un peu pour rendre tout son éclat à votre linge. Le citron. Oui, le citron possède également des actions blanchissantes et il peut vous aider à enlever les taches jaunes sur vos draps ou t-shirts. Pour cela, mettez de l'eau chaude dans une bassine, mélangez avec une grosse quantité de citron. Déposez votre linge dedans et laissez-le reposer quelques heures ou toute la nuit. Lavez ensuite normalement. Le vinaigre blanc qu'on trouve facilement dans les commerces, vous pouvez également utiliser le vinaigre blanc sur votre linge. Pour cela, mettez une demi-tasse de vinaigre blanc avec une tasse de lessive. Dans le cas où vous souhaiterez ne traiter que certaines parties du vêtement, comme les aisselles, vous pouvez vaporiser le vinaigre sur la zone concernée uniquement. Enfin, le bicarbonate de soude. On ne présente plus le bicarbonate de soude et ses nombreux bienfaits. S'il fait briller les robinets, enlève les taches et blanchit les dents, il aide aussi à rendre toute sa blancheur à votre linge fatigué. Vous n'aurez qu'à ajouter une demi-tasse dans votre lessive habituelle. Lavez ensuite votre linge comme d'habitude et si la tâche est tenace, faites une pâte avec de l'eau, mettez-la sur le vêtement abîmé et laissez agir un peu avant de laver. C'est tout pour aujourd'hui, amis jeunes. On se dit à demain pour encore plus de bons plans sur la rubrique rose. plus très bien pourquoi on joue. aujourd'hui installé au siège même du studio Kalango. Aujourd'hui, il s'agit du patriotisme chez les jeunes. Comment euh, développer, comment maintenir ce sentiment euh, Qui doit l'inculquer À quel moment de la vie Tout ça, c'est ressorti. Je vais direct à ma quatrième question. Quelle est la place du patriotisme et de l'engagement civique des jeunes dans le développement d'un pays Ça a une importance capitale. Je dirais que c'est les populations eux-mêmes qui devraient se lever, se sentir que leur pays. Ça, c'est pour eux. Ouais. Donc de on le doit développer eux-mêmes. Ouais. Le développer, ne pas détruire. Ne le pas, le, ne le, pas le détruire. Gachere. kamar cikin ci gaba ƙasa kamar mahimmancin 'yan kasanci a ce matasa suna da 'yan kasanci suna kishin ƙasa suna son ƙasarsu su in ce shan zuma ne kwa inda 'yan ƙasa suna son ƙasarsu mhm. saboda shi son ƙasa in ka so ƙasanka ba wai wani bane zai ji abun ga jikin shi a kai da kanka kai da kaso ta kai zaka ji a jikinka ga cinka ga shanka ga irin firorin da zaka ma jama'a da irin hulɗar da zaka danganta tsakaninka da wasu duk kai zaka ji daɗin shi saboda shi ya ne zaka nuna dayar ma shiga wata kesiyon yanzu alal misali ba ga mu a radio kalango ba a yana yawan fita waje yanzu in ɗauki dutse in wasa vitir kin wani a tattare ni a yana a yana a yi komisariya a yi wani sadir shi wannan lefet ke in yi zamane in yi respectar luwa misali sai yan patriotism da yarsa le premier degré du patriotism lorske zan ce ina dokokin ƙasa ka yi respectan su tunda yanzu ku yi lissafi in a ce kowa bai respecte ba da yanzu tana yake kina can bisa bisa wani wuri babba yan daba ce ke kwa ni kuma ina can ni ma dai wani wuri babban wani dan ta asa ne kwa ina ta abubuwa kenan duka babu wanda respecte da zai yawa kuma shine muke constate ila saboda mutane ba su respectin shi me yi imagine a ce yau duk barawo ya aje eh, sata shige ya ce a ah, shi yanzu kasa yake so ba zai taba eh a gina kasa duk wani makashi ya bar kisa duk wani mai, mai, wani fraud mai wani corruption mai wani tsada abinci mai wani wani ne dukkansu sun bari imagine zan ci in koshi in hutu in yi hira da mutane in yi meka in sha ruwa a sizi a kisan su dabor ka fara da kanka kai ka yi kokari ka sanya zaka ci da kanka legalaman ka yi kokari kuma ka sanya zaka convencer na gehenka shi ma ya ci da kanshi legalama. du positif autour du de positif. toi. Voilà, ça contribue là, c'est un domaine de l'éducation que j'ai évoqué. Kenan ya ne kasa abin da take samu gare ku shine cewa ƙasa za ta ci gaba kuma an an ce ci gaba ba wai kawai kuɗi ba ne ba su yi yawa ko kuma abinci a ba shi kaɗai ba ne ba ma'ana rayuwa ce ta zo a samu kwanciyar hankali ma yau ci gaba ne wala rayuwa ta zo wani niveau u la seule question où on se pose c'est que an tashi lahiya shi kaɗai ne kuwa to ina son in ji kuma ra'ayin ƙarin bayanin da zaka kawo bisa nashi kamar yadda ce mm, ci gaban ƙasa yana ɗaya daga cikin kwanciyar hankali kamar ƙasa ta zauna cikin kwanciyar hankali shi ma wannan ci gaba ne kenan yanzu kamar a ce matasa suna kishin kasa su wani tashi tashi hankali ba a same shi ba ba za a same nan ma an ci gaba nan ma an ci gaba ok ban voilà c'est bon ai yanzu ka gani ya hito <laughs> yanzu Là, tu l'as effleuré, euh, géré. Mais je vais revenir vers toi, Farida. Selon toi, comment un jeune peut montrer son patriotisme qui Quels sont les comportements que tu vas montrer, que tu vas adopter pour vraiment montrer que tu as l'amour de ton pays D'abord, je ne sais pas, peut-être que je vais prendre un exemple. On doit dire, je, moi, je suis nigérien, j'ai des amis togolais, béninoises, quelque chose comme ça eux, ils respectent leur culture, ils respectent leur pays, ils respectent leur tout. Moi aussi, je vais montrer que j'aime mon pays, j'aime le Niger et que je suis fière de moi. Et par exemple, s'ils sont ici, on a tendance à parler en français, quelque chose comme ça. Non, je vais les initier à parler mes langues. Euh, oui, les langues de chez toi. Donc être l'ambassadeur aussi de, voilà, de sa culture, c'est aussi... De se montrer fier de son pays. Et puis voilà, à chaque fois que vous... Même si c'est une petite euh, rencontre que vous faites, vous discutez de quelque chose, même si c'est une seule phrase qui va sortir de ta bouche, quelque chose comme ça qui montre ou un geste qui mhm. montre que toi, tu es fier, de ton pays. Tout comme les autres, tu es fier de ton pays. Quoi. Voilà, il faut faire ça. Et puis voilà, moi, c'est un peu ça. Voilà. Ouais. Pour elle, ça commence déjà par ça. faut l'aimer et puis, faut le montrer. Il faut être ambassadeur de, de, de, sa culture. Il faut être ambassadeur de son pays, des valeurs de son pays, des richesses de son pays. Euh, Gajere, je reviens vers toi. Selon toi, Banchouana, euh, Nuna, ma kamar wani in zo wani bako in zo ka nuna mishi kasaka kai ma wata abu ce kasaka kai ma vraiment alhamdulillahi ta ce ita nan ma ka nuna kana son kasarka banda wannan kuma ya kake iya nuna kai matashi kana son kasarka to shi eh, nuna kasa eh, nuna kishin kasa uh-huh. kaman sai ban na ce kishin kasa kuma na dan fito term na patriotism na shigo nationalism mai mm. eh, nuna dan kasanci bala dan kasanci bala pour mm-hmm. un peu donc shi yadda za a yi ni a gani na kwa sirtu a yau yadda nake gani zan iya eh, taimakawa ga ci gaban kamar dan kasanci kamar da kika ce kwa mhm. kamar bai kai bai wuce kullum cikin wannan tur na education sannan akwai abin da suke ce ma kamar eh, sapella leçon de moral ma'ana yanzu ka gani wani na wani abu misali ne muna hira sai ki yadda leda haka bisa hanya ko ki wani abu sai in tattara gaban ki kai aje gehe kenan nan na nuna wani wanga ma'ana in manner de repentir son éducation essayer de la de la en fait de la ouais, quoi répondre oui vraiment voilà in mhm. ka yarda da tarbiyanka lalle ka yarda da ita a gani na bai huci babu wani dan kasanci da ya kamata kai kamar ka yi ka bude shi ga bainar duniya kowa ya gani cewa kai ga yadda kake kuma ga yadda ya kamata a samu mutum kwa sannan a nan ne a yi irin haka ne zaki ga an samu dan siyasa an samu wani dan société civil an samu wani wani ai shi répond hmm. les bonnes valeurs voilà voilà parce que dan siyasa da dan su suka iya su zo su faɗi abu su ce kaza su su tara jama'a su suke cikin jama'a ma'ana kwa wala. ok almu a ganin ka kai matashi ya kake iya nuna kana son ka. ya nake iya nuna kana son ka. ina son kasata eh kwarai akwai yadda zan yi in nuna ina son kasata ni kasata ina son ta don saboda ita ta nake alfahari da ita ko da mutum ya tambaye ni dan etaranje eh, ya zo ya tambaye ni ya ni kana son ka. kakani kake yi kake son ka zan ce mishi ina son kasata don saboda kasata tana ɗaya daga cikin fiyi waɗanda suke cikin kwanciyar hankali da zaman laya nan ne zan ce mishi karatu ma yana ɗaya daga ci gaban ƙasa mm. shi ma yana kai karatu tsakanin da muddin kana ci kishin ƙasarka to ka tsaya kai karatu kai ganin karatu ma an ka tsaya kai ma eh. kanuna kana son ƙasarka dan sabida mi baka san inda zaka tsaya ba inda ka inda kake gurin nan idan ka je can Allah ya taimake ka sai ga ka taimaki ƙasa ka yi ka cika burukanka ambition ta ka amfani kanka ka amfani ƙasar ka rika wala mm. to a mun manufa da sanin san dai muna nan ga tahiya wajen karshen wannan shirin namu na Faransa Hausa amma kannan je vous propose suru de Soga on écoute cette musique et on se reprend juste après aujourd'hui installé au siège même du studio Kalangu. Yo mana mana hira tare da matasa, musamman Almu, Almu Wahid Barau. Il est étudiant en géographie. Nous sommes avec Seydou Gachere Mahamadou, étudiant en philosophie. Farida Moukaila, jeune journaliste da abokin des autres da yanzu, ba shi micro. Ça va? Ya kake da dama? Hein? Très bien wallahi. Ni a sunanka? Euh, sunana Hamid Ahade Mohamed. To Hamid, zan baka tambaya ta Arshema. ta kusan euh, à Ganenka, Matassa, un Kassanchi, vraiment sentir que tu aimes ton pays et que tu appartiens à ce pays, comment le développer et comment wane ne kamata ya samus wannan lazu euh, gajere kahar et fleurin wannan mais comment l'inculquer ce sentiment comment euh, merci français ou bien hausa ina samu wallahi inde ka iya hausa Okay, za ni ta da hausa mm -hmm. e, mun gode sosai da aka gayyace mu bisa wannan mm -hmm. deba uh, gaskiya gaskiya mun gode muku sosai da kuka gayyace mu mu zo nan mu ma mu ba da albarkacin bakin mu bisa wanga tattaunawa da mhm. ake ta matasa mai albarka za mu cewa saboda ana zancen abu ne mai mahimmanci kowa kowa kasar shi ne ko wanda aka ce ka ita ce ta ka kasa don kenan abin da za mu ce bisa wannan tambayar taku shine za mu cewa gaskiya mutum shine yake yake wangakin ya kamata a ce yayi lissafi wala shine yake tunani wala ya zama tilas gare shi mm, shine wanga tilas ne ma ya kamata a ce mutum da kanshi yayi tunani cewa yau kasar ga kasa ta ce ni ya kamata a ce ni na na na na na, na yo tallafi na bisa harkar development ta kasata saboda ni kasa tana da yanci na mutum tana da yanci wurin shi shi ma ya sa D'accord, ça marche. Merci euh, pour ton intervention. Et tout à l'heure, tu as commencé à effleurer un peu euh, des limites qu'il faut pas, auxquelles il faut faire attention. Comment éviter, selon toi, l'extrémisme dans l'expression de ces sentiments pour ne pas euh, aller vers le nationalisme Voilà. <laughs> selon toi, comment ne pas. À quoi il faut faire attention Bon, eh, il faut faire eh, très attention surtout à la définition. Moi, j'ai toujours interpellé les gens. Eh, gusan ma'ana da suke ba eh, mai ake cewa kalmomi saboda shi patriotism ka ka je ka ta wani abu can ka ce patriotism ne ma'ana ka je ka kamar misali yadda za a samu dan siyasa ya je ya samu abubuwa da ya rike yanzu ya jefa matanti ya jefa ma kuzen da kanan tsohuwa da kanan wane ne duka ya ta musu en fait pour lui c'est le patriotisme parce que vraiment il voit sa famille effleurer son tashi kuma suna gane ma ma sun yi kuma yana jusqu'à jusqu'au point où il va oublier sinon il va perdre le sens du patriotisme parce que euh, pour lui, le patriotisme consiste tout simplement à aider ce que j'ai anti faire, kai kai makanka kamar na gidanku. Shi ma c'est encore une contribution je crois. comme éducation, quand fita kai ta ihu waje alors que nan cikin gida baka yi da Tu ba. To ba wai ana shi tak tak patriotisme. Patriotisme shi c'est au-delà de ça. C'est au-delà de c'est pourquoi ne pas de différence kin shi da nationalisme quoi. paske kamar yanzu ka zo kana ta ma 'yan angoku ka sa musu wuta ka yi wani kana ta abubuwa ci ja a retesa a su niveau mais peut-être tu les exploites can wani kote shi kuma c'est pas de, de, de, de patriotisme donc il y a l'extrémisme comme vous l'avez évoqué akwai extrémisme cikin eh, patriotism parce wani yana huce iyaka har ya kai ya mance ma da mai patriotism kwa eh, wani shi kuma hurin so kwarai kamar a ce kina son ɗanki ne sai kime wani bugu sai mutu kenan kin ganin so ya huce so yanzu ya zama wani abu ya ɓace ko ya zama wani abu okay Merci bien, ami kan na na français hausa amis lafada Merci bien pour euh, vos points de vue qui sont super intéressants. Euh, ko ma ya ba mu son ressenti par rapport à ce sentiment ki pour certains ya kamata a ce an taso da shi wani kuma kamata a ce wani kuma ya ce da mun daga kai ka san ciwon kanka ka yi girma ya kamata a ce c'est un sentiment qui naturel kan yi ban kwana kwata-kwata da ku zan ba olivier dama ya zumna da kronikin shi et on se dit officiellement au revoir Comment les jeunes peuvent mieux tirer profit de la politique dans le secteur technologique C'est de cela que nous allons parler dans la chronique de ce soir. Amis auditeurs et auditrices de Tous à Fada, une fois encore, bonsoir. Certes, la course à la digitalisation fait des jeunes Africains des acteurs importants dans la marche de leur nation. Ces jeunes sont courtisés par les politiques et les entreprises locales. Les plus visionnaires des politiques n'hésitent pas à donner aux jeunes des postes de responsabilité. Au Mali, on se souvient de la jeune Kamissa Kamara qui a occupé entre 2019 et 2020 un poste ministériel dans le gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta mais de vrais défis sont imposés aux jeunes africains. D'abord en commençant par la formation peu d'écoles sur le continent proposent des formations sur le digital. La plupart de ces formations manquent d'adapter leur programme au contexte local. Ensuite, la commercialisation des services digitaux. Faute de connaissances digitales, peu d'employeurs évaluent le coût d'un service digital. Il est difficile à un jeune développeur digital de vendre ses services ou ses prestations. Le manque de culture digitale des managers complique les acceptations des services. Il faut plus de temps pour construire cette confiance sur le digital. Enfin, la fiabilité des services de téléphonie reste un des défis énormes que les acteurs du digital, qu'ils soient jeunes ou pas, doivent surmonter. Eh bien, chers amis auditeurs et auditrices, si la technologie a devenu un enjeu politique, quels sont les secteurs qu'il faut digitaliser pour accélérer la croissance du Niger Les recherches continuent à mon niveau. On se dit la semaine prochaine dans une nouvelle chronique. Mais avant tout, je conclus cette chronique en ces termes. Dans le contexte nigérien, les préjugés liés aux problèmes de connexion découragent certains utilisateurs de services digitaux. Mais quand on est déterminé, les difficultés deviennent des épreuves à surmonter. Et comme le dirait Youssoufa, loin du soleil, rêvant d'être astronaute, Loin des meilleures connexions, travaillons pour offrir les meilleures connexions aux générations à venir. Bye bye, rendez-vous semaine prochaine pour des nouvelles chroniques. C'est la chronique de l'émission Tous à la Fada da studio kalangu aujourd'hui il a été question du patriotisme comment le maintenir comment l'inculquer comment le développer chez les jeunes c'est un sentiment qui est important pour l'individu important pour le pays pour le développement du pays Comment c'est sana santa garanti selon vous C'est un ce